bonjour. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve sur cette émission. studio Kalangu matasa C'est tellement facile de nos jours de rencontrer un jeune qui a étudié dans un domaine, mais qui finalement gagne sa vie dans un domaine qui n'a carrément rien à voir avec wani da dama da à l'exemple des 120 jeunes diplômés en difficulté d'insertion formés au métier de plomberie sanitaire carrelage menuiserie aluminium et j'en passe Grâce au programme de reconversion professionnelle de l'Agence nationale de promotion de l'emploi, ANPE, en juin 2022. Mm, Pour vraiment en savoir plus sur les motivations de cette reconversion professionnelle et surtout savoir comment ils s'en sortent dans leurs activités actuelles. On en parle au siège même du studio Kalangu ici au quartier Kwarakano avec Suleiman Hima, il est écrivain Hein, il est consultant en communication, il est entrepreneur, il est plein d'autres choses encore. Ça va Soleil, tu vas bien Ça va très bien, merci. Et toi C'est comment Très bien, ça va. C'est mains aussi de Leihima. C'est ça, Leihima. Leihima Podcast. Leihima Podcast, exactement. Ok, super. Nous avons avec nous Samira Abdoumani, elle est styliste, accessoiriste, entrepreneur. Diga, kinaï. Ça va Samira <laughs> Ça va bien. Kina lahiya. Lahiya allo. To barkan ki da zawo kan tous à la fada avec nous. ton pauvre Barajé. Communicant, vidéaste, photographe, entrepreneur. Hallo, il y a Comment photo, ce que c'est la appareil photo qui vous psyani? Ça va bien, comment va beaucoup derrière? Oui, voilà. Qu'en a la tu La hia, t'as l'eau. T'as vu qu'on a un nom? tare da mu abokin mu na fada Ahmed Usman il est entrepreneur culturel sannun ci dai ça va ça va ça lahiya oui, Hamad oui, harka comedy club c'est ça hein. oui oui voilà da su zamu wannan hira fada kuma kun sani muna ta da yan kadan mu avec la rubrique rose de l'émission de Salafada fada et la chronique de notre chroniqueur Chou Olivier top c'est parti un tiers des 18 à 24 ans veut se reconvertir, un constat qu'on retrouve dans l'échantillon généraliste du baromètre 2020 de la formation et de l'emploi du centre Info en France. Au Niger, nous n'avons pas trouvé des chiffres. Les jeunes qui sont avec nous vont nous en dire plus sur cette tendance. Reconversion professionnelle, tendance ou nécessité je vais direct à ma première question ina so in sani kowanne a cikin ku ya gaya mini karatun da yayi kuma da yanzu aikin da yake Samira Amhara Greki, la miss de cette fada d'aujourd'hui. Hmm, d'accord. J'ai étudié, <laughs> étudié du marketing commerce international après la ah, licence. Da Hausa dai ana so a ce wannan karatun dan siye ka sai muni. Okay. sai da na koyi wannan karatun yadda ya kamata ka saida ma wani kayan kayan da kamata ka kwatanta mishi ga yadda ka fara har yadda aikin kai ba da daidai yadda yake mm-hmm. da na ƙare sannan ne na kuma na yi karatun tela ok karatun telan za ka huto da mm, wurare iri-iri kenan yan ka gama ne zaka duba ka gani wane ne zaka yi zaka yi telan dinkin kaya ko ko zaka yi telan yin takalmi ne ko zaka yi na jaka ko zaka yi mm, telan yin wani kayan ado na daki wanda dai kai ni yayi ni kala kala ne design irin wannan kala kala kana yi yawa na yi niyyar in doki na kaya da na yin takalmi amma na hiba da karhi biskan takalmi wanga lokacin yo amma a lokacin da take karatun commerce ko in ce sayar da saidawa a lokacin nan kina da daman eh, gurin ki buɗa ki shiga wannan aikin da kike na yanzu na tela koko dai kin yi shi dai ne don ki samu aiki cikin wani kamfani haka ina da burin tun ina karama nike son kwambo kwambo fa iyakacin shi bakin nan nike dan saboda tun da na samu bakaloriya na na ce ma babana ina so in yi dinkin tela ya ce min amma kin san baki da hankali ko <laughs> in na ce mishi dan me yasa ya ce kin aza alfadi haka nan ya zama tela ki aza wa'ancan manyan da ke gani ya ce dole sai kin kama ilimin rabin ki sai ki yi to kuma ta da Allah ya mishi cikawa eh, yayuna dai suka biya min na je na karatu na na wannan dinkin a gaskiya yau na kowa farin ciki. To masha Allah kuma yau kin zama sami mi fashion. To zan zo ranka baka. Mhm. Euh, je suis juriste de formation, donc j'ai une licence en droit, euh, carrière judiciaire. Ah j'ai une licence en GRH un master en management de la qualité et un ingénieur en commerce. J'étais un doctorant, mais j'ai abandonné parce que je voulais faire ma thèse euh, sur euh, la neuromarketing. Seulement, mm. je suis, je suis photographe, je suis vidéaste, réalisateur. Euh, je suis écrivain en herbe parce que j'ai écrit beaucoup de livres que j'ai pas encore, je pense que hum. oui, il est là pour confirmer parce que je voudrais même passer par lui, comme lui déjà il s'est déjà enfermé. Euh, mis à part ça, bon, j'ai eu la chance de jouer dans dans une série. Quand il a au photo, quand il quelqu'un en cinéma, quand il a en réalisation, en fait, des choses qui n'ont carrément rien à voir avec tout ce que tu as étudié. Oui. Ahmed. <laughs> Oui, ravi. Gareka. To. <coughs> Moi, j'ai un parcours assez atypique, sincèrement, parce que j'ai étudié au Ghana euh, dans l'informatique, c'est maintenance informatique et réseau. Donc après, je suis allé vers le transport logistique. Et c'est vraiment là-bas que j'ai pu avoir euh, genre mon, mon, diplôme. Donc s'il faut parler de formation, je vais dire que je suis euh, logisticien. es logisticien. Ouais. Mais là, tu es le roi du rire. es Ahmed Harka Comedy Club. Oui, oui. Comment Parce que je sais, je sais, je sais pas pour les autres, peut-être ils sont pas encore, ils sont pas allés en profondeur, mais sincèrement, c'est une question de passion. Voilà, c'est vraiment c'est la passion, c'est quelque chose qui nous guide vers vers cela. Parce que si je savais réellement que j'allais être euh, dans le domaine de l'humour, vous comprendrez que j'allais, euh, dans un premier temps, choisir euh, la formation qui, allait véritablement dans ce sens. Donc, c'est ça, c'est la passion qui nous, qui nous a fait venir dans ce domaine. Ok. Hima, Alors, moi, je suis un pétrochimiste. J'ai fait de la pétrochimie. Ok. Maintenant, en parallèle, je travaille dans une société de, de vente par téléphone. Ok pendant mes études. Et donc j'ai appris à savoir parler au DG, PDG. Et ensuite, je me suis dit que j'étais bon pour convaincre par téléphone. Et je me suis dit, je vais ouvrir mon propre call center. Donc en fait, moi, ce que je vais dire, c'est qu'il y a trois questions à se poser. La, première, c'est qu'est-ce que je sais faire La deuxième, c'est qu'est-ce que je veux faire Et la troisième, c'est qu'est-ce que j'aimerais faire Dans quoi Qu'est-ce que mon temps va dans quoi Ouais, voilà, oh, qu'est-ce que tu aimerais faire dans... Là, on parle de passion. On parle de passion. Kai karatun, inche harakam, passion, petrol, parle wani wani kananzir, wani adiba wani a bincike cikin su a gani mm, eh, yawa kalite shi da wannan mm. yanzu sai kana saida ma mutane abubuwa a Kai yanzu mun gane shi samimi. ina son kwambo ko yasa ka sai min in na wara ya kwambo kala kala sai dai ma sha Allah mamma ta ringa min dariya kakanni na su ringa min dariya gaskiya ina da kwambo kuma mamma ta take son kaman sa sakokin artizana domin har ina binta ina zuwa muse tare da ita mm, wani tsoho ana ce mishi hamza wurin shi dai muke tahiya to da ya rasu bayan ni kuma na girma sai na ta yi wurin dan shi dan shi ya koya mini aiki sai da na ƙare kenan da na ida shi ma bayan na yi tahiya da na dawo daga dakar ina ce mishi muhara aiki tare ya ce mini ya son in dai in yi abubuwa da kaina don ya san da ko lokacin da ban yi ba karatu ina da ilimin da za ya iya hidda min wancan mm-hmm. to biskan kaya kuma an bore tun kana yaro kuma dai balle yanzu ka je ka koya ai sai da wanda aka gani kala kala <laughs> gaskiya to baraje nan da wajenka kai kuma ya uh, moi, c'est plutôt l'histoire qui m'a rattrapé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais par passion. Ouais. D'accord. Euh, la photo, j'ai commencé la photo en 2003. Ok. Je payais des appareils, je faisais des photos amateurs et tout. Mais ça, en fait. J'aimais ça, mais je ne me considérais pas comme photographe. Photographe, Alors, après le bac, j'ai dit au papa que je veux faire du cinéma je vais aller à Marrakech pour faire une école. Il m'a regardé, il m'a dit, tu n'es pas ambitieux. <laughs> voilà. en quelque sorte. Donc, de keto la holiday akasawa akate, na ida karatun nan to look après d'un ida karatun nan gana te Maroc abanga ah, ingénieur kina. Donc, da na zo nan bon, na ce bon barin ta aiki aiki kwa. Kaman kowa da yake aiki na ta na shiga bon malheureusement après je me suis retrouvé au chômage Bananga aujourd'hui c'est grâce à lui je peux dire que j'ai pu en fait sortir de euh, derrière le rideau pour me mettre sur la scène parce que c'est lui qui m'a dit non ce que tu fais tu es photographe tu es vidéaste et, Voilà. tu peux vivre de ça aujourd'hui l'histoire a rattrapé mon père parce que je voulais faire ça, il me l'a empêché. J'ai fini, parce qu'aujourd'hui, je vis de, cette passion, en fait. Ouais, ouais. Parce que je me dis que je peux passer des jours et des jours sur un projet. Je en fait, il y avait une nécessité parce que tu étais au chômage. Et là, maintenant, aujourd'hui, tu vis de ta passion. Et c'est super. Ahmed, je reviens vers toi. Euh. On passe de la logistique au rire. C'est ça. Explique-moi. Oui. Euh, Comment ça s'est passé C'est vrai que comme ça, on peut le dire ainsi, mais moi, le rire, euh, depuis vraiment euh, l'école primaire, c'est vraiment quelque chose qui était avec moi. Ça commence tout bas, hein, ces choses-là. Hein. Les, les, amis de mon petit frère, quand je vais dans sa classe pour euh, tellement je les faisais rire, ils sont trop, toujours joyeux quand je viens. Mhm. et ils m'ont même surnommé Charlie Banana. Jusqu'à, oui, mon petit frère n'aimait pas ça. Parce lui, il voit qu'on considère son, grand frère, de clown. Mais moi, c'est vraiment, c'était quelque chose d'y réfléchi. C'est-à-dire, ça me venait vraiment nature naturellement. Mhm. Bon, effectivement, je. Ah oui, non, il y en a, mais il y en a, il y en a, on Ok, ben on comprend mieux le cheminement. Là, là, c'est un peu plus clair. Et je me dis qu'il y a des jeunes qui vont nous écouter et qui vont forcément se retrouver dans ce que vous, vous êtes en train de partager aujourd'hui avec nous. On va aller avec la rubrique de l'émission Tous à la Fada et on se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous Dans la rubrique Rose de ce samedi, nous aurons quelques astuces de beauté avec les produits de nos cuisines. Ça sera avec moi, Mariam. Puis dans l'espace euh, santé et bien-être avec moi, Ruki, on vous fera découvrir l'importance de l'hydratation du corps. Et enfin, en cuisine, nous découvrirons quelques idées qui facilitent la vie. Et c'est avec moi, Fanta. Coucou fidèles auditeurs et auditrices, aujourd'hui je vous ai concocté les astuces beauté suivantes. Le masque au miel, il sert à repulper les peaux fatiguées un peu froissées sur un visage bien nettoyé. Repartir deux cuillerées à soupe de miel pur en évitant les yeux, le nez et la bouche. Laissez poser 15 à 20 minutes puis passer un petit bain de vapeur sur le visage et nettoyer à l'eau claire. Le coup d'éclat du citron. Le citron éclaircit le teint et resserre le peau un peu dilatée. Comment Presser un demi-citron, filtrer pour retirer la pulpe, ajouter deux cuillerées à soupe d'eau minérale, passer avec un coton sur le visage démaquillé, laisser agir une à deux minutes avant de rincer à l'eau. Le secret de la tomate. Elle régule le pot grasse, découper une tomate en fines tranches et poser sur le visage nettoyé. En évitant le contour des yeux, laisser agir 15 minutes. Alors moi, le citron, oui, j'ai déjà utilisé du citron. Bon, moi, le citron, ça ne va pas à ma peau. Ma peau est assez sensible, mais le miel, ma peau adore. Ok, Ruki, tu peux toutefois utiliser la tomate. Hein. Désormais, ça sera la tomate. Bonsoir les amis, dans l'espace santé et bien-être d'aujourd'hui, nous allons parler d'hydratation du corps. Nous buvons tous régulièrement de l'eau et toute autre boisson pour nous rafraîchir ou étancher notre soif. L'importance de ces liquides va au-delà. Elles hydratent le corps et l'organisme. Mais quelle est l'importance d'hydrater son corps Alors, mes petites recherches sur le net par-ci par-là me permettent aujourd'hui de répondre à cette question. S'hydrater permet de préserver sa santé tout le monde est conscient de cela. Ce que nous savons peut-être moins, c'est combien l'hydratation est garante de notre équilibre physiologique. Tout d'abord, elle élimine les substances toxiques du corps. L'hydratation permet aussi de réguler sa température. Elle joue un rôle majeur euh, dans le maintien d'une température constante à l'intérieur du corps et plus encore en cas de fièvre. Comment bien s'hydrater Buvez sans attendre d'avoir soif. Donc, euh, vous pouvez aussi varier euh, les sources d'hydratation. Boire de l'eau nature n'est pas forcément facile pour, pour nous tous il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs. Vous pouvez euh, prendre des tisanes, des soupes, des bouillons, du thé, du café et j'en passe. Vous pouvez aussi manger des fruits et des légumes. Certains contiennent plus de 90% d'eau. Pensez notamment à la pomme, au melon, à la tomate, au concombre. Personnellement, j'adore les fruits. Et vous ah, On adore tous les fruits. Par contre, pour boire de l'eau, j'en bois oui quand j'ai soif, mais euh, j'abuse pas. Il faut abuser. Euh, L'excès de tout est nuisible sauf l'eau. Hein. Des, des, des astuces. <laughs> Coucou les filles, c'est Fanta. Bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, on va parler de quelques astuces intéressantes à connaître en cuisine. Astuce numéro 1. Ne rincez pas les pâtes. Lorsque vous rincez les pâtes, le goût et l'amidon naturel qui aide la sauce à coller sur les pâtes partent avec l'eau. C'est pour cette raison que certaines recettes suggèrent de récupérer l'eau des pâtes pour faire la sauce. Astuce numéro 2, la cuisson des œufs. Et pour cela, le sel est votre meilleur ami. Vous voulez que la coquille de vos œufs durs se détache en gros morceaux plutôt qu'en millions de petits fragments. Ajoutez une cuillère à café de sel, soit 5 ml, à l'eau avant d'y plonger les œufs. Dernière astuce du jour, comment dégraisser une sauce. Mettez des glaçons dans un tissu bien propre et placez-le dans la sauce. La graisse deviendra ferme et se retirera bien plus facilement. Fanta, pour ton astuce euh, des pâtes, là, personnellement, euh, j'aime pas que mes pâtes se collent. Donc, moi, je rince toujours. Bon, après tous les goûts ne se discutent pas. Exactement. Donc, euh, c'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. On espère bien que toutes ces astuces vous serviront dans votre quotidien. Dansons sur Ancré de Emma pour clôturer cette rubrique. On se dit à demain pour d'autres astuces. Je, ça devient Sans trop Et ça devient t'envisager un lendemain sans toi. Je perds le nord quand je suis pas dans tes bras. Si c'était cikin wannan shirin namu na tusa lafada wanda muka a nan ga cibiyar studio kalangwa unguwar kar kano yau mun tattaro matasa wanda dai kun gane sun yi wani karatu amma kuma yau suna nan suna goge mai bakin su cikin wani aiki wani fanni da ba wanda suka yi karatun shi ba kuma mun ji suna duka sun ce alhamdulillahi abubuwa suna nan ga musu daidai a suke so yanzu zan na dawowa ga tambaya ta ta uku ina so in sani hima cikin abin da kake nan ga yanzu a kan nivo ça a été facile pour toi et où les choses se sont corsées, où ça a été plutôt compliqué dans cette reconversion euh, À quel moment Alors pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour être entrepreneur, il faut savoir vendre. Il faut trouver de nouveaux clients. Et chose que moi j'ai appris à faire, donc ça n'a pas vraiment été difficile parce que je ça sais vendre. les choses, ouais. Aujourd'hui, je sais trouver des clients. Euh, donc à partir du moment où tu sais vendre, c'est le plus important. Ça, c'est la première. Ensuite, deuxièmement, c'est toujours difficile d'être entrepreneur. Mais euh, ce qui est beau dedans, c'est que tous les jours, il y a, tu apprends de nouvelles choses. Et comme tout à l'heure, il a parlé de passion. La passion, c'est important. Aujourd'hui, en parallèle, je fais des lives euh, selon un club de foot, Manchester United. Je suis fan du club. Et je donne. Ouais, c'est vrai, tu as ta chaîne YouTube. J'ai ma chaîne euh, YouTube. J'ai mes. <laughs> et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos. Je me suis dit que je veux transmettre ce que les gens aiment. Et aujourd'hui, je fais des vidéos, il y a 1000 vues, 2000 vues en live. C'est quelque chose que j'aime. Et ça me, ça m'anime, ça me passionne. J'ai toujours aimé faire journaliste. Donc c'est quelque ah. chose quelque part euh, qui rattrape. Ah voilà, voilà. Donc euh, toi, en, gros, ce que tu me dis, c'est que du coup, même les difficultés deviennent. Euh, tu les vois, ouais. Voilà. En dire bah, en fait, les difficultés sont là pour faire grandir. Ouais. Donc euh, les gens qui ont peur, par exemple, les difficultés sont là pour te faire ouais. comprendre et te faire grandir. Donc euh, chaque difficulté, c'est pour que ça soit plus facile dans deux ans, dans trois ans. C'est pour voilà. que ça te facilite la tâche en fait. Mm. Okay. C'est une difficulté aujourd'hui, mais une facilité demain. demain. Samimi, ɗinki wani kaya na takalma euh, abin da ka tashi da shi tun yarinya amma a wani lokaci ne abin kika ji ya dan dalme miki kin ji dan tsananin cikin abin tunda da ko da kin yi karatun sai da wa a wani lokacin ça c'est un peu euh, compliqué pour toi dans ta transition euh, de ta licence à yo abin da ke ciki euh, je dirais pas trop trop compliqué parce que moi je prenais toujours mon temps ko wani lokaci in na san akwai karatu yanzu da sa ni ta ya école ina tayi yi da sahi da marece da nake sabkan na sai hana yi dan dumke dumke ko kashe ni to yanzu kuma da na ta yi lisans kenan kur in maryace ne kake yi da sai in ta wurin aiki na in na ida abin da yake burge ni da maryace in ta local gani nake kamar local in na an dole dai ne aka san ya da amma daga baya gaskiya na gani da ya kamata parce que si j'avais pas fait le cours de marketing je crois que si j'avais seulement fait une école de stylisme et après, il faudrait que je prenne une formation en marketing. Euh, c'est pas trop pour me... Voilà, c'est pas pour me targuer, mais là... Mais voilà, euh, Travailler aussi, travailler, peu importe le rythme, sur euh, ce qu'on veut lancer. Euh, quand on écoute Samira, on voit que ça peut marcher aussi, ça peut amener loin. Quand tu ah, ah, dans deux ans, ouais, j'aurai le temps de me lancer. Elle le faisait euh, à ses heures perdues et ben voilà le résultat maintenant. c'est mm, en forgeant que l'on devient forgeron. Forgeron, voilà. Donc il faut déjà commencer à forger. <laughs> voilà, ouais. des notions dans les domaines, tu peux apprendre sur le terrain. Ouais, tout doucement, tout doucement, on peut aller très loin. Boubacar, à quel moment ça a été compliqué pour toi Je lorsque je devrais cacher à mes que je faisais la photo de la vidéo. Euh, il y a juste de quelques années là, on était à une cérémonie. Bon, un ami m'avait invité, j'étais venu, j'ai fait la photo et tout. Donc euh, j'étais parti avec mon papa, il m'a pas vu. Je parle toujours de lui parce que c'est important. L'histoire tourne autour de lui. <laughs> Donc maintenant, euh, après, on était venu à la soirée de gala et le monsieur lui dit Ah, vous êtes venu avec le photographe il dit quel photographe <laughs> le jeune homme, le barbu là. Il dit non, c'est mon fils. Il dit non, c'est un photographe. Il dit non, non, non, c'est mon fils. C'est un peu ça. Aujourd'hui, moi, je, à part cette difficulté et les gens qui, qui cassent l'élan, parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes des Nigériens. Agaskia c'est des salles là c'est de cela ouais, Mais c'est vrai aussi, souvent, c'est les parents. Hein. Oui. Une, une, petite histoire de moi. Mhm. Sérieusement, au début, eh, Ma soeur et ma sœur l'aînée, elle a toujours été la première personne qui a cru en moi et c'est elle qui a d'ailleurs euh, permis que je vive ce que je suis en train de vivre. Mon père, il a commencé à croire en moi le premier jour où je suis partie faire un concours. il ne pas d'ailleurs. Et j'étais son troisième lauréate sur les autres pays. C'est quand je reviens avec le trophée. Allah hada trophée in salon c'est table donc Ahmed euh, on peut te citer parmi euh, des gens aujourd'hui qui entreprennent et dis-moi ça marche plutôt euh, vous vous en sortez là c'est bon oui, bon, écoutez. Cette question-là, elle est assez vraiment euh, compliquée mhm. et, complexe. Je dirais, je dirais, bon, ça ne marche pas vu que les humoristes qui sont autour n'arrivent pas à se payer des véhicules qu'ils veulent ou, euh, construire les maisons de luxe qu'ils veulent. Mais dans l'autre sens, ça marche parce que si je regarde bien le début de la création du Comédie Club en 2019 à aujourd'hui, mais c'est une évolution, mais qui ne dit pas son nom. C'est énorme. Donc, au centre euh, voilà. non, non, non, avant Tabagadi. C'est ça. Je pense, moi, je suis ah, ah, oui, oui, oui. Donc, la difficulté pour vraiment revenir à la mm. question, c'est que ça, ce qu'on fait, là, ça demande la participation de beaucoup de gens. Et souvent, les gens là ne sont pas animés de la même envie, de la même motivation que mm. toi. C'est sincèrement, moi, depuis le début, c'est un peu. on est obligé à chaque fois de changer peut-être de visage, de personnes avec lesquelles on est en train de travailler. Donc, d'autres personnes, ceux qui ont pris le train, on va aller en musique on écoute Blood Samaritan de Aira Star et Kelly Rowland et on se dit euh, à tout de suite Vibe killer, me I no go take shit. Vibe killer, bloody somebody Samaritan. Protect my energy from your bad aura. Then my pastor say, I be my healer, everything I desire. I go to see my rhythm, flow like a river. If you get yawa, come on, go and sit down. I go just para, come on my jigger. I go just eh, follow my dream. I'm feeling vibes. showers. I never let them make me sour. Cause it ain't that deep when it's shallow. I show you love, but be hating in the shadows. Too many comparisons. I'm a Samaritan. Wanna shoot me down, no ammo. Voilà, c'était euh, Bloody Samaritan. On revient euh, sur cette fada aujourd'hui qu'on a installée avec, euh, avec nos amis Suleiman Hima, Samira Abdoumani de Samimi Fashion, Boubacar Barajé de Be Proud, Hamed Ousmane de Haraka Comedy Club karatu da suka yi daban kuma da aikin da suke yanzu daban su sun karanta wani abu kuma yanzu sun zo suna aiki cikin wani kuma in kuka shirya su kuna ji dai tahiyar nasu yanzu suka yi shi dalla dalla dalla kuma yau sun ci alhamdulillah sun gode ma Allah cikin abin da suke nan suna nan suna samun abin da ya kamata yi ma zan kare da kai selon toi quels sont les pièges à éviter quand on veut vraiment réussir sa reconversion à quoi il faut faire attention alors euh, moi je dirais je vais rebondir sur ce que euh, a dit tout à l'heure. Mhm. Ne pas écouter les gens. Fais confiance à toi-même. Et quand je dis les gens, ça peut être tes frères, ça peut être même les parents. Ouais. Je mets les parents dedans. Et je pense que généralement, la personne qui nous influe le plus, c'est le, père. Et je prends un exemple. Mon petit frère, il, il était très bon footballeur. Très, très bon footballeur. Et donc, on est parti voir papa, on lui a dit, ben, lui, il est très bon footballeur, il faut le lancer. Il dit, non, ça, c'est. Euh, c'est pas bon. Aujourd'hui. le mot <laughs> aujourd'hui, Aujourd'hui, il dit Hey, peut-être que Isma aurait peut être footballeur, je t'ai voilà, On voit le salaire de Cristiano Ronaldo. 200 millions Cristiano, le petit 200 millions Non, Ronaldo, c'est 200 millions. Ronaldo vient d'avoir le. 200 millions. Je suis d'accord, mais avant que lui, il n'ait donc, petit... donc voilà, en fait, euh, je pense que la seule voie, c'est l'école, c'est les études. Alors que là, on a comédie, on a photographe, on a. On euh. Donc euh, il y a toutes les voies. Il faut juste trouver un moyen de faire de l'argent, comprendre comment le processus marche. Et même moi, d'ailleurs, je suis allé faire jusqu'en bac euh, plus 5 parce que mon père me disait eh, l'école, l'école. Mais moi, dès le début, si ça coûtait que moi, ah c'est le cinquième, j'allais sortir. <laughs> Oh, donc, moi, je me dis, les difficultés, c'est, c'est connaître, se connaître soi-même. Euh, quelles, sont les, sont les compétences que je sais faire Qu'est-ce que je sais faire Parce que lui, il fait de la photo il sait faire de la photo. Lui, il sait faire rire. Il sait faire rire. C'est des compétences qu'il a développées. Donc se connaître soi-même, c'est connaître ses compétences, se connaître, qu'est-ce que j'aime faire et foncer. Dans quoi je me vois dans, dans les années plus tard. Voilà. Malheureusement. abincin da za ka ci ka tahi Kai, kuma ka shurare wataran a gida ma ah, c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. plaisir partagé. <laughs> Voilà, to et on se dit officiellement au revoir. Les amis de la FADA, bonsoir et merci de votre fidélité. Un gros plaisir de vous retrouver ce soir pour une nouvelle chronique et sans surprise, conformément au buzz du moment, dans la chronique de ce soir, nous allons parler de la super performance de l'athlète Isaka Isaka de Tosso. À l'issue de la 43e édition du Sable national qui s'est tenue à Difa, Kadri Abdou Isaka Isaka a été encore, encore et encore, pour la cinquième fois, le roi de l'arène. Et oui, le gladiateur de Dosso a terrassé un à un ses différents adversaires afin de s'offrir une place au sommet de la compétition de cette année. Un sacre qui fait de lui l'athlète, le lutteur le plus titré du Niger cinq sabres, un champion, une ville, une région, un nom, Isaka, Isaka, de Dosso encore et toujours. Et oui, cette performance a fait la fierté de la communauté de Dosso. En témoigne la foule qui est allée accompagner le champion lors de son retour au Bercail. À l'arène de lutte, Salma Danrani, où un imposant meeting a été organisé, les populations de Dosso ont démontré leur reconnaissance à celui-là qui, pour la cinquième fois consécutive, leur a offert le sable national de lutte traditionnel tout Dosso et principalement la jeunesse étaient au rendez-vous pour voir Isaka Isaka et son sabre. Les forces de l'ordre n'ont pas pu contenir le public, a écrit l'agence nigérienne de presse ANP. Sauf que sur les réseaux sociaux, il y en a qui pensent déjà que le jeune lutteur doit arrêter sa carrière parce que trop titré. Une polémique qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Si certains internautes comparent les performances athlétiques à une alternance classique. D'autres rappellent que la lutte traditionnelle reste un jeu. Un jeu encadré par des tests qui décident de qui peut participer et qui ne pourra pas participer. Et jusqu'alors, Isaka Isaka coche toutes les cases et pourra participer aux prochaines éditions. Sa discipline, sa régularité au sommet, ses performances techniques sont les quelques facteurs qui ont hissé le lutteur au sommet son art. Alors, chers amis, que le succès de Isaka Isaka nous inspire afin que nous fassions de la discipline et la régularité dans le succès notre allié de tous les jours. D'ici là, de la paix, de la lumière, de l'amour dans vos vies et surtout beaucoup de discipline afin que nous puissions aller décrocher les étoiles. C'était la chronique de Mr. Oli. <clears throat> Merci bien Olivier. Donc, on va se dire officiellement au revoir sur cette émission. Je suis ya zo wannan matasan sun ce, aiki abu in kana so kai shi sana'a, kowace ce kake so ka ka kama jikinka. kan aiki, kan ilimi, kaye aiki bisa kan abin da kake so kai zaka cin ka Sai in ce, a huta Bye bye.